Oui, pour nous, les handicapés, depuis 93, chez Ouamour, quand il était euh, euh, à la transition, il y a eu une ordonnance qui dit que les handicapés n'attendent pas, ni à la poste, ni à la Nigéria. Que là où il y a euh, rassemblement, nous, on n'attend pas. Dès qu'on vient, on est libéré. Dès que je suis venu, j'ai dit que je suis handicapé, on n'a pas perdu du temps. J'ai voté, et puis je m'en vais à la maison. Et ça m'a pris à peu près 10 minutes.